Kau lo yang wah salah. Hah? Lo lu kasih nafi juga rengko kau ya? Mandan mayat. Ah, d'accord. Bugo korom. Dopo man. Dokani. Gal galre, No may mo na dudam ko. Libérez Sénégal! 嗯。 guys du yombu de Macky Sall da ngay wacc par force Macky da ngay jóge fi par force sa mandat jeexna Amo loy décider bëggun sa dialogue da no dialogue ken du dialogue Yak xaalis wote gu ñak fayda yak ñang fay tassel xama pour lan sénégalais jeexal nga muñal leen la demal ngir yalla amal jom dégage casse nous voulons plus de toi ah C'est fini, c'est fini. Pas ça. Allez. dites le pouvoir. dites le pouvoir. dites le pouvoir. Allez. Waouh, waouh. Ça, c'est le frère patriote ça gêne. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, la domination continue sous plusieurs formes. Voilà. Continuons, continuons, bougez, bougez les gars, bougez, bougez, bougez. Sensibiliser davantage le peuple français. Pas peuple français, parce que l'État français est en C'est ça la vérité. on les hommes avaient envoyé la place, la est là. Aujourd'hui, É. Que loucura, que loucura. Ah, all kan? about. <laughs> Wow, yang ini again. Huh? Grand, grand fallu sonko, mom mo fi mo fi manki ak Babacar Sadikh Diop. Ñu sa wona len. Wow. Ñu ngi fi Bordeaux. Acha. Tay dañuy jébaane Macky Dañ koy jébaane, ñepp xam. Wow, tram yang ini ni bu mu taxaw ñu dugg fa fekk fa wax wax wax ak wa rew mi ak doomi rew mi ñu xam lu xew ak Macron it complice bu mu doon ci combat bii nii xam Macky Sall ça qui ça Macky Sall, assassin. Macky Sall, dictateur. Macky Sall, dictateur. Macky Sall, assassin. Vas-y. Macky Sall. Macky Sall, dictateur. Macky Sall. Ah, c'est en train de traiter j'avais pas vu là. Hein.

nanu am fayda nanu am fayda nanu respecté sunu Sénégal. société yëngatu naa. société yëngatu naa. nanu am fayda nanu am fayda nanu respecté sunu Sénégal. salaam salaam.

Sénégal kenn ëppalewu ñu Sénégal Nous, ay sénégalais yu dëkk extérieur mais la plupart comme moo si mën a ñibbi tey kenn ak nu mu Sénégal donc je vais parler en français donc nous voilà réunis ici aujourd'hui place de la Bourse depuis trois semaines consécutives depuis le report des élections par Macky Sall, le dictateur, nous avons décidé tous les samedis de nous réunir, quelle que soit euh, la météo, hein, parce que nous sommes soucieux de ce qui se passe dans notre pays. Un pays démocrate, un pays qui s'est battu pour ses acquis démocratiques, qui a élu démocratiquement un dictateur qui aujourd'hui nous prend en otage, qui a pris en otage des milliers de jeunes, femmes, enfants, vieux, handicapés. Uh-huh. il a tué une soixantaine de jeunes. 80, jeunes ça. morts. Il a les mains sales. Il a volé tous nos deniers publics. Il a fait une gestion sombre et vicieuse. Et aujourd'hui, il refuse de rendre le tablier. Sauf que nous, nous ne céderons pas un iota. C'est-à-dire que s'il faut tous les samedis mettre de côté nos loisirs, nos enfants, nos activités pour venir dire non, on le fera. Je vous remercie. On a la présence du coordonnateur de la JPS Espagne, Omar Diallo, qui a quitté Bilbao pour venir à Bordeaux. Il aurait pu rester en Espagne, mais il est venu parce que Bordeaux est une ville de résistance. Bordeaux fait gagner Ousmane Sonko depuis 2019. Depuis qu'on a créé la cellule, on n'a jamais perdu ici à Bordeaux. Donc, quand on appelle pour une manif, il faut que tous les Sénégalais soient présents. Merci beaucoup. Merci Maïmouna pour ce beau discours. Euh, présentement, on est tous réunis ici. Là, je joue le rôle de coordinateur entre parenthèses. Donc, euh, je prends, <laughs> je prends la personne qui, qui, qui et qui veut parler, qui veut faire passer son discours. Mais ce qu'on veut dire pour camper le débat, présentement, on se trouve ainsi. L'élection présidentielle qui devait, se, qui devait, se tenir le 25 février, c'est 25 février, quasiment dans Aujourd'hui, on est. Ouais, c'est ce qui devait tenir demain et a été reporté par un président qui a été élu démocratiquement, comme Maïmounou l'a dit tout à l'heure. Et il a, on s'est battu corps et âme à ses côtés pour dénoncer le forcing que voulait nous imposer à le président, le président Abdoulaye Wade, qui voulait imposer son fils aux Sénégalais. Et avec ah. l'actuel président, on s'est on, on, battu, on, a, on est descendu dans la rue avec, avec, avec toutes les conséquences. Parce qu'il y avait des, des, pertes de vie humaine. Mais 12 ans après, on est en train de revivre la même chose. Ce qui est déplorable. Et tous les Sénégalais qui sont soucieux du développement du Sénégal et qui sont soucieux des conditions de vie du peuple sénégalais doit être interpellé par ce qui se passe présentement par le Sénégal. Donc, actuellement, nos institutions sont, sont, sont, chamboulées. Il n'y a rien qui, a été respecté parce que le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a a, a, dit que la loi qui, qui, a été votée à l'Assemblée nationale pour le report des élections a été une loi anticonstitutionnelle. Du coup, cette loi ne peut pas faire force exécutoire. En plus, le décret du président qui, avait qui a abrogé le décret qui, qui avait mis le processus électoral aussi a été a été rejeté par, par, le Conseil constitutionnel. En plus, le Conseil constitutionnel dit que le report, le report des élections est intangible. Le, prolongement de la durée du, mandat du présidentiel est intangible. Ça veut dire que le président ne peut pas, euh, euh, ne peut pas euh, reporter les élections. En plus, le président ne peut pas prolonger son mandat. Et si vous vous rappelez bien, euh. le, président avait saisi le Conseil constitutionnel pour diminuer son mandat. Il avait demandé l'avis du, Conseil constitutionnel pour diminuer son mandat. Donc on peut dire que cette décision du Conseil constitutionnel a été la conséquence de la première décision qu'il avait prise pour dire à Macky que vous ne pouvez, pas, diminuer votre mandat à 5 ans parce que le Conseil constitutionnel, sur la base de laquelle non, la fonction c'est la base de laquelle vous étiez élu après prévu ans. Donc, le, présentement, le Sénégal est, ainsi et on ne sait pas à quelle, quelle date l'élection va être tenue. Et en principe, ce qui a été dit dans la fonction, le mandat du président arrive à terme le 2 avril prochain. C'est présentement ce qu'on est en train de vivre. Et nous exigeons que qu'une date électorale soit tenue dans les meilleurs délais et que les Sénégalais vont élire le président et à qui ils font confiance. Donc euh, je voudrais demander à quelqu'un qui, quelqu'un qui veut prendre la parole. prenez la parole. Prenez la parole, les gars. Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir à tout le monde, à tous les patriotes. En fait, euh, il faut qu'on soit vigilant surtout, parce que euh, Macky veut nous imposer un dialogue un dialogue euh, qui ne nous concerne même pas du tout. On n'a pas besoin de dialogue en ce moment précis. Là où on est, on a juste besoin d'une date. Une date où on peut aller élire notre prochain président de la République du Sénégal. Pas de concertation, pas de dialogue, parce que c'est un deal qu'il est en train de préparer en ce moment. Il veut démissionner à partir du 2 avril. On sait ce qu'il veut faire. Faites très attention parce que il est capable de nous mettre son président d'Assemblée nationale à partir de deux, Et de là, 90 jours après, il nous met une élection où il va se représenter encore pour voler les élections. Il faut qu'on soit vigilant de tous les côtés, de tous les bords. Parce que ce mec-là, c'est un, un, Il est prêt, il veut vraiment sacrifier le Sénégal. il considère le peuple sénégalais comme des moutons parce qu'il ne nous respecte pas du tout. Pas de dialogue. Son dernier dialogue qu'il a fait avec ses quatre euh, soi-disant journalistes, c'est pas un dialogue, c'est un piège. Et ce piège-là, on ne va pas rentrer dedans. On n'a pas besoin de dialogue, on a juste besoin d'une date précise avant le 2 avril. Et c'est possible. Maintenant, le monde a évolué. On peut faire des campagnes électorales virtuelles. Euh, il y, a, des connexions de partout. Ça peut se faire en Internet, ça peut se faire partout. On peut faire des élections avant le 2. Donc Macky Sall dégage. Macky Sall dégage. Macky Sall dégage. Macky Sall dictateur. Libérez son corps Libérez le Sénégal. Libérez Macky Sall dégage. Macron complice. On en a marre, il y en a assez. Bonjour. Tonton Samba. Donc, euh, moi, je vais interpeller quand même euh, le peuple français. Parce que ce qui se passe au Sénégal, ça concerne quand même aussi les Français. C'est très important parce que ce jour au Sénégal, il y a des enjeux géopolitiques très importants. Aujourd'hui, les États-Unis se sont positionnés auprès du peuple sénégalais pour dénoncer l'attitude du dictateur Macky Sall. La France, dans son positionnement, est trop timide. En tant qu'ancienne puissance colonisatrice du Sénégal, la France devrait prendre les devants pour pouvoir anticiper les éventuelles dérives du pouvoir en place. La France connaît mieux le Sénégal que quelques quelque puissance que ce soit au Sénégal aujourd'hui. Les enjeux sont très importants pour la France. Donc, si les Français, l'État français, ne se met pas au côtés du peuple sénégalais qui réclame sa souveraineté, demain, je crains pour les intérêts français au Sénégal, comme ça a été au Mali, comme ça a été au Niger, comme ça a été au Burkina Faso, parce que l'État français n'a pas su écouter le peuple, les peuples qui se soulevaient. Parce que l'État français a fermé ses yeux pour ce qui se passait. Parce que, tout simplement, l'État français n'a pas voulu les écouter, tout simplement. Il ne faut pas que la même chose arrive au Sénégal, puis après on dit on ne savait pas. L'État français sait parfaitement ce qui se passe. Ils savent très bien ce qui se passe. Ils sont au courant de tout ce qui se passe sur, sur le Sénégal. Donc, ce qui va arriver demain, si elle arrive à nouveau au Sénégal, ce qui s'est passé dans les autres pays, la sous-région, il ne faut pas dire on ne sait pas. On le sait très bien. Donc moi, c'est sur ce point-là que je veux intervenir. Voilà, voilà. Très important. Les enjeux géopolitiques sont importants. Donc si la France se met à l'écart, et que demain, c'est les Américains qui viennent derrière, il ne faut pas dire voilà, voilà, voilà, voilà. Non. On le savait. On n'a rien fait. Voilà. Moi, c'est ce point sur, lequel je veux intervenir. Parce que dire Macky Sall ceci, cela, Macky Sall, il y a quelqu'un qui est derrière, c'est Macron aujourd'hui. Macron, il sait parfaitement ce qui se passe sur le territoire sénégalais. Macron, il envoie, envoie des, agents, des agents des services de renseignement au Sénégal. Qui savent très bien ce qui se passe, ils lui ont rendu compte. Ces services de renseignement ont fait le boulot. C'est Macron qui ne veut pas les écouter. Comme il le fait d'ailleurs avec le peuple français. Il a fait passer la réforme des retraites par force. Il a fait passer d'autres réformes par force. Aujourd'hui, il soutient un dictateur dont on sait que c'est vraiment un dictateur. Parce que les libertés sont confisquées, les jeunes sont tués, il mène toutes les politiques qu'il veut, mais sauf en direction des jeunes là. Ces jeunes ne cherchent qu'une seule chose, c'est rester chez eux, étudier chez eux, grandir chez eux, travailler chez eux, entreprendre chez eux, c'est ce qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas à immigrer. S'ils cherchent à immigrer aujourd'hui parce qu'il y a l'insécurité au Sénégal, cette insécurité est entretenue par un pouvoir qui est là, qui n'est là que pour ses intérêts et pas pour l'intérêt du peuple. C'est ça que je voulais dire. Et ce message, je l'adresse à mes amis français qui ne prennent pas pour une attaque pour le peuple français, mais au contraire, pour une invitation à soutenir le peuple sénégalais. Hmm. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Macky le dictateur. Les gars, réveillez-vous. Macky Sall le dictateur. Macky Sall dictateur Macky Sall le dictateur. Macky Sall assassin. Ouais, merci, merci les amis. Merci beaucoup. Et je voudrais... Euh, ce que vous avez dit est très important parce que, bon, actuellement, ce qui se passe au Sénégal, on peut dire que c'est la... C'est les grandes firmes, les grandes entreprises françaises qui ont la main mise sur l'économie sénégalaise. Rien que si on regardait ça, ça méritait notre preuve. Ça devait nous pousser à venir ici manifester. Mais, mais actuellement, on est en train de vivre plus que ça. Parce que comme on, on, le dit en wolof bala nga ni naam ne fa donc euh, ko xamantani mar mo koy bëgg a bëgg bëgg a bëgg faat dana tal lenen lulul lulul lulul nek ci yenen dal wa léegi kep ko xamantani ni bëgg na jël ki bi rek ya ngeen def a chaque fois bu may wax sama wax du neex man sama wax du neex ma lak ci tubaab du ma làkk ci nar bi samay wajur nek du ma làkk ci anglais du ma làkk ci italien te langue yooyu yep dama koy wax te lajuma ken dañ mako forcer jangal jàngal man tok di wax ay c'est la France c'est les États-Unis c'est le Congo c'est ça man ça ça ne m'intéresse pas bal di tak tak na ba pare ñepp ay wajur la gone fi suñu rapport suñu rapport ba ñu juddoo ba léegi màgg suñu rapport boobu lañ war a xoolaat suñu rapport ak mag ñi suñu rapport ak politique yi suñu rapport ak sëriñ si suñu rapport ak suñu dëkkandoo suñu rapport ak suñu bopp parce que euh, li ma neex neex na ma keneen li ko neex ak li ko naqadi sama yoon newu ci ba suba

yi nga xam ne moral éthique wallaahi ba ngeen ko nekkee xam nga ne sax moom ko ëpp mais bu ñu waxee ñu ne sa ndey ko liggéey suñu ndey lan la liggéey bu suñu ndey liggéeyee rek ndeyu keneen liggéey na ko ndeyu keneen liggéey na ko ndeyu keneen liggéey te boo xoolee dañuy nax ñu judd ñu nax ñu ñu mag ci nax jooju ñu ñuy fen di ñu fen fen suñuy baay fen suñuy yaay suñuy maamaati maam di ñu fen ci ay rapport bët suñu suñu diineeg suñu leneen mais boo ko waxee ñu naan lii tabu laag lii du tabu man Serigne Fallou lañ ma tuddee barke alxuraan sama dama tatoué Serigne Touba fii man sëriñ Touba xooluma ci doomam wala sëtam wala keneen ak keneen sama rapport ak Serigne Touba

boo demee ay góor lañu woon sax man mag yi tey du ma du ma du ma ko saaga yaay bu ma ko saaga yaay saaga naa sama yaay yaayam gerte caaf la doon jaay di dang dang yi comme suñu ndey yi di ko dundal bàyyam apparemment gardien la woon kooku xam na ni ci coono la ne woon ci coono la ne woon paa boobu tey jox ko ba mu màgg moom mu doon baadoola mais baadoola googu ñun ñoo ko ko may ñun muy yow muy man muy oui, ñun ñoo leen ko ko may dama ne dama koy wax chaque jour ba jàng jotee dem nañ ba mon meilleur pote Joseph Diba c' un fervent chrétien catholique maak moom communion confession lépp ñoo ko mais dama ne suñuy rapport ak ñeneen la ñu a nit sàcc bu ko leeree ne bu duggee sa kër te bàyyi njabootam xiif bu duggee sa kër sàcc jël lépp te dara du ko ci fekk man Fallou gis sama njaboot xiif mu leer na ma ne benn chinois ngi nii bu ma duggee këram gàddu lépp jox sama njaboot mais dama koy def France ci la ne Amérique ci la ne gis nga débat boobu dañ ko war a sax dépasser la puissance d'une personne se retrouve dans ses racines se retrouve dans ses racines on doit remettre en cause de lu de gëmloo delluwaat ci suñuy cosaan maa ngi débat actuellement ñu naan ay dëkk yi machin Sénégal li ñu bonal mon ne ci kaw te billahi mooy dëkk li ñu baaxal du mais mon ne Ni suuf ñii am na pas pa finir tonton bu fi nekk chacun de Cheikh Anta Diop man dama de science politique def common law dem ba États-Unis si yaay député pendant 25 ans ma xaalisu politique lañ ma mais musuma votel PS sama dret moo ko nangu ndax damay toog ak samay xarit un wallahi buñ daan foo dañ daan foo ci ay ay équation ay mathématiques suma benn xarit Babacar mais wallahi mais voilà, taf taf mais bu ma demee seen kër parfum parfum benn parfum xeetu parfum la mooy ceebu keccam matin midi soir bu ma ñibbee suñu kër ñuy njoñi ginaar rek ay lii muy xaalis bi jóge ci poosu Babacar baayam ak yow ak yow ñu koy sàcc di ko jox sama yaay di ma ci dundal may xool mu dàq ma jàng ëpp ma éthique taalibe Cheikh Pire di yore kursam di dem di wérti di lu ne mu ciy def waxtu du ko raw man bu jël avion jotee ma dem ñëwaat fekkaat ko fa muy jaay ay di ci am ay téméram billahi sama yaram da daan daw ma ni lii lan la te nday sama nday gënul fenn fenn ndayam yaayam da daan xëy di dem Dakar Sandaga xawma di jaay ay madak ndey sànn doon ci la dee lan la ko sama yaay ëppee man lan laa ëppee Babacar te buñ ko tegee ci ay lu lu factuel jang momu ko ëppoon docteur en mathématique mi ngi ni di jaay mburu mi ngi jaay mburu donc lan moy suñu rapport ak suñu bop lan moy suñu rapport ak ñeneen ñi dañ koy wax sëriñ saa ni ñu yëkëti suñu alal ak ñeew gi ñuy am fii ak fépp yëkëti di leen jox waxuñu leen ñu door maki wala leneen mais jóg wax te yàlla rek tax

li wax ku ne jugul ci xar jugul ci gélém ci nday ak baay nga jóge te ku ne ci sa sama ndey gën sa ndey doo ko nangu donc ku la joxul cër bu ko jox ci rapport boobu la Afrique war a am ci boppam il faut qu'on arrête de chercher l'amour de gauche à droite faut imposer le respect billahi wallahi wal kitab ku ñu ëpp xel ci àdduna amul je parle de la science Comment on peut faire ndax suñu deru la mélanine corps le jant te jant produire mélanine Mais may wax du caaxaan te mélanine boobu ku mu ci yow ba excès kenn ëpp la xel yaa ëpp xel ñëpp mais ñu suñu nous hein tayal bañ a liggéey mais xam nañ ne bu ñu demul outil lu ñu fayee seeni facture dañuy fande mo tax ñuy jog mais jaay jaaykatu keccax bi jaay jaaykatu fëgg jaay hein jaay jaaykatu coupon da xëy na duma jaay sax 1000 francs mais dina rek dem am yaakaar faw ñu xolaat suñu rapport ak suñu bop suñu rapport ak suñu mbokk du yëkëti rek di leen jox di leen jox naan ay yërëm leen après suba jaay leen tiitër dem Sénégal jaay tiitër ja mais jaru ko jaru ko nañuy waxante dëgg suñu bopp gis nga lii muy Macky muy Sonko chance la am seen bénédiction Sonko man du ma topp nit ci nii du ma ko topp Sonko c'est une bénédiction mais dama ne Sonko bu mu amul rapport yi mu am ci ñun bu ko changé wu billaahi Sonko leneen dina dëppaat xelam sax mu def li Macky di def wala Faut mooy faw ñu changer rapport Comme ne suñu xeet gii kenn arrêtons de chercher l'amour des arabes ou des blancs ou des chinois on s'en fout complètement exigeons le respect et le respect yow yaa koy exiger sa bopp gëm nangu liggéey nangu ñu ñu bay di saga xalé yi di door di li ëpp importance moy dafa ne ci ñun te duñ ko wax mom lay terminer ngeen bal ku ci nekk ci ñun bo waxe yàlla am teral sama yaay ñu ñep ñu goor ñi chaque jour mo ko nak ci débat xamna ñen ñenn dinañ ma jëppi mais gis nga jël fii jëluñu suñu jigéen ñi delo len valeur bi ñu amoon billahi du ñu dem fenn lu baax ci aduna jigéen la ah, bu ñu nekkee ñun ni sax saxi be jaaw ak saxi karaw ak lepp dafa am ci bu ñu du gor de neuf mois du néegu gor jigéen rek ko antan dama ne la ba ci karab buy buy buy meñ la la la terre c'est féminin la terre dañu wara jël adiat suñu ni gëmlo wat len sen bop Nous ne rek la ñom rek ñu ci Nous a ñu leen seen paradigme occidental yi ñu leen di gëmlo ay xeesal ay greffage ñu gëmaat seen bopp billahi bu ñu gëmaatee seen bopp ñu jiital leen wallaahi kenn ñu dab te bis bu ñu nanguwaatee li ñu moom séddalewaat bi yërëm jàng polonais muy français man man awma ma aw ma aw ko mën a waxee billaahi wallaahi mbalitu nit ku ñuul nit nit ku ñu buñ ne mbalit moma gënal mom ci mom la gëna am yek yek que tubaabu burgee tout je sais pas dara ngeen jëf may may may merci je vous laisse avec euh, Cher Sow merci euh, je vais juste dire trois choses ça va vous surprendre, mais moi je n'ai jamais cru aux élections. Jusqu'en 2000, je ne croyais pas aux élections. J'ai toujours boycotté les élections sénégalaises. Comme beaucoup d'élections en Afrique, on sait très bien que ce sont des élections qui ont été toujours truquées, des votes des populations qui ont été toujours volés. Et en 2000, on y a cru. Et effectivement, on peut dire aujourd'hui que le Sénégal n'a pas à rougir de sa démocratie. Ce n'est pas la démocratie du Sénégal qui est en cause on est dans une séquence, une séquence sombre qui nous a été imposée par Macky Sall. Et ça, il faut aussi le dire. Et la deuxième chose, c'est qu'il est important de continuer la mobilisation, même s'il pleut, même s'il vente, même s'il neige. Au Sénégal, il y a encore des mobilisations. Euh, je voulais juste partager avec vous, euh, sur ce point-là, une analyse qui est en train d'être faite au Sénégal. C'est que tout n'est pas encore clair avec Macky Sall depuis la conférence de presse de sa ministre de la Justice jusqu'à sa rencontre avec euh, les journalistes, on se rend compte effectivement qu'il n'a pas encore dit son dernier mot et il n'est pas sûr, il n'est pas sûr qu'il va quitter à partir deux. Pourquoi Parce que bien que son député, en fait son, son collègue serait battu dès le premier tour, il sait bien que les autres ministres qui étaient avec lui, qui ont fait campagne individuels vont pouvoir aussi jouer sur la division euh, de, son, de son clan. Donc tout est donné pour que l'opposition euh, gagne les élections. Moi, je ne fais partie d'aucun parti politique. Voilà, je fais partie d'aucun courant politique. Et c'est, même s'il y a des partis politiques, nous sommes nombreux à être des citoyens qui nous sommes levés parce qu'il y a danger au Sénégal. Il y a danger au Sénégal. Voilà, on nous a volé nos élections qui devaient se passer normalement demain. Et à 10 h de lever de la campagne, le président Macky Sall a arrêté effectivement la campagne et a rejeté euh, le jour de l'élection. Donc on est là.